Si nous sommes ici, cette belle initiative qui a fait ses preuves déjà de ciné droit libre, on dit que la démocratie est censée être un atout, encore faut-il euh, s'en emparer, l'utiliser. Jean Ziegler, l'écrivain suisse, a dit qu'il euh, fallait provoquer l'insurrection des consciences. Je crois que c'est un beau cadre pour faire cela. Nous, on apporte notre soutien de manière artistique. Je suis venu avec mon groupe, mon band, donc on s'apprête à faire un concert live euh, demain soir. Je crois qu'on va s'exprimer sur scène. On va dire toutes nos émotions, on va les laisser transparaître en public et puis ça va être un formidable cadre d'échange notre mission quotidienne, on, s'en est servi, c'est se servir d'un aspect ludique pour quelque part dispatcher un message conscient. Ils nous ont menti, nous ont trompés sur des dossiers, sur le passé, ils ont truqué, ils ont liquidé, effacé, financé, menacé, offensé, défoncé, tabassé, rabaissé, torturé, assassiné. Tout ça avec notre complicité puisqu'on n'a rien dit et on n'a rien fait. C'est donc le moment de faire et de dire.